L'ANTD, c'est l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime. Nous sommes une ONG nationale qui œuvre dans le cadre de la protection de l'enfant depuis pratiquement 20 ans. C'est d'abord d'œuvrer aux côtés des enfants. Et comme l'intitulé de la structure le dit, c'est pour d'abord œuvrer afin que les enfants ne puissent pas tomber dans la délinquance. C'est pourquoi on parle du traitement de la délinquance et la prévention du crime. Parce que eh, dès qu'il y a délinquance, il y aura eh, inévitablement crime. Parce que eh, ça commence à, partir de la petite délinquance jusqu'à ce que ça devient quelque chose d'efficace qu'on ne peut pas contrôler. Donc euh, les grands crimes organisés. nombre plusieurs activités. ces activités sont d'abord, comme je le disais, œuvrer aux côtés des enfants. Pour œuvrer aux côtés des enfants, il va falloir nécessairement connaître ce quoi un enfant. L'enfant, c'est d'abord un être, n'est-ce pas, âgé de moins de 18 ans, et on dit sauf la majorité atteinte en vertu de la législation qui lui est applicable. Ça, c'est la définition de la CDE, la Convention des droits des enfants. Donc, euh, du coup, euh, s'il n'a pas 18 ans, on considère qu'il n'est pas encore mature pour un certain nombre de choses de la vie. Donc, il est toujours victime. Maintenant, ce que l'ANTD fait, n'est-ce pas, pour euh, empêcher cette délinquance, c'est de vrai, n'est-ce pas, aux côtés des enfants. Je vous prends un tout petit exemple. Par exemple, euh, les enfants qui font la rue, les enfants, n'est-ce pas, euh, communément appelés prostitués, nous, on les appelle des enfants en situation de prostitution. Parce que nous estimons qu'il y a une situation qui les amène là-bas. Au lieu de juger ces enfants, de les condamner, nous créons les conditions d'aller vers ses enfants, les approcher, n'est-ce pas, et créer un contact, créer une dynamique entre nous afin que ces enfants eh, puissent se sentir à l'aise. Et souvent, le plus souvent, eh, c'est des enfants, madame, que vous allez retrouver qui ont perdu l'estime de soi, qui ont traversé un certain nombre eh, de, difficultés. Et donc, à ce niveau, nous créons les conditions pour un appui psychosocial. Après l'appui psychosocial, il y a bien évidemment des suivis réguliers qui sont là jusqu'à ce que nous puissions connaître les vrais mobiles qui a amené l'enfant dans cette situation